Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Rekia Arimi et Fanta Shamsou. Bonjour Fanta, comment vas-tu ce matin Je vais bien Rekia, Alhamdulillah. Faisons aussi un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre. À la technique, c'est Abdulkader Chombiano et Adama Dowaki à l'édition. Alors, qui qu'avons-nous au programme ce matin Ce matin, Fanta, nous avons tout d'abord le flash d'information. Ensuite, il y aura la rubrique justice, comme chaque lundi, et direction Kwani, région de Tawa, pour le reportage région où nous parlerons du rôle d'une chefferie des jeunes appelée Maïsamari. Et nous allons avancer pour aller à Agadez pour notre entretien du jour. Oui, plus, précisément dans le département de Tirozerine à la découverte de Haji Gambo, ancienne chanteuse de la troupe al qui nous a parlé du début de sa carrière en tant que chanteuse dans la troupe al Le Niger sur Kalangu, c'est aussi 100% de musique nigérienne. C'est parti. Chers auditeurs, comme annoncé, nous allons commencer avec le flash d'information présenté ce matin par Nafissa Adamou Sirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour, Bonjour à vous Fanta Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information à Agadez. Les autorités ont procédé vendredi 6 décembre à la fermeture de nouveaux puits clandestins d'exploitation artisanale d'or dans la vallée de Faso située à 35 km à l'est de Tablote. Les ouvriers présents sur place ont été sommés de cesser toute activité activités minières dans le cadre d'une série de mesures visant à encadrer les activités aurifères sur ce site officiellement fermé depuis mai dernier. Les autorités ont constaté que des groupes d'ouvriers creusaient de nouveaux puits sur ce site précédemment fermé et exploité par une société chinoise. Le gouvernement nigérien s'engage fermement à garantir que les ressources naturelles du pays profitent d'abord aux populations locales. C'est le Premier ministre Ali Mahamal Lemenzen qui en a fait la samedi 7 décembre à l'occasion du forum Mieux vivre avec le pétrole à Ingourdi. Il a déclaré, je cite, Il n'y aura plus au Niger d'un autre Arlite où l'exploitation de l'uranium n'a profité quasiment qu'à l'extérieur, qu'à des sociétés étrangères qui ne sont en réalité que la même face de la même médaille. Fin de citation. Enfin, Moussa Changari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, a été entendu hier dimanche 8 décembre à De h 30 à 13h15 par la police en présence de plusieurs de ses avocats. Et selon ses avocats, Changari est poursuivi pour apologie du terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. Et rappelons que l'acteur de la société civile a été interpellé chez lui à Niamey le mardi 3 décembre et gardé depuis dans les locaux du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci Nafissa. Et bonne journée à vous. Et nous l'annoncions tantôt, la partie entretien d'aujourd'hui nous amène à Tirozirina à la découverte de Hajia Gambo, ancienne chanteuse de la troupe Al-Bishir qui nous parle du début de sa carrière en tant que chanteuse de la troupe. Mais avant de l'écouter, pour bien démarrer la journée, nous vous proposons notre première euh, note musicale avec le titre Babu Kamar Niger de l'artiste Fek Hamsou Garba. Elle a commencé sa carrière musicale en explorant les motifs et les rythmes de la musique traditionnelle de sa région. Fé est reconnue par sa voix puissante et émotive qui captive l'essence de la culture nigérienne avec une influence notable de la musique touareg et d'autres styles africains. Habsou a su se démarquer par son originalité. L'artiste utilise sa musique pour évoquer des thèmes sociaux, culturels et politiques abordant des réalités vécues par les Nigériens, en particulier les femmes. Ses compositions reflètent souvent la richesse de la tradition musicale tout en intégrant des éléments contemporains. Habsou Garba a gagné en notoriété tant au niveau national qu'international, participant à divers festivals de musique et collaborant avec d'autres artistes de la scène musicale africaine. En plus de sa carrière musicale, Habsou s'engage dans des causes sociales, cherchant à mettre en avant les droits des femmes et à promouvoir la culture nigérienne à travers son art. Voilà, c'était Babou Kamar Niger de Habsou Garba et voici l'entretien du jour. Ce matin, nous allons à Tiresorine à la découverte de Hajia Gambo, ancienne chanteuse de la troupe Al-Bouchir, qui nous parle du début, des débuts de sa carrière en tant que chanteuse dans la troupe. Hajia Gambo a commencé à chanter dans la troupe Al-Bouchir à l'âge de 15 ans à Tiresorine. Elle est interrogée par Ahmed Felan. To alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi tun da yau dai kun iso gare mu bisa turba albishir ni hajiya gamba nake magana. Mun ji daɗi kwarai. Kama yanzu kuna da shekara nawa kuka fara waka cikin turba? Ka da muka fara waka cikin turba albishir gaskiya muna da shekara ba mu wuce shekara goma sha biyar ba haka da muka fara waka dai haka ga dai muna zuwa dai muna yara dai hakan ga ba wani wayo ba gare mu muna zuwa da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan haka ga har muka samu dai muna shiga kala muna gani ga wasu yana birge mu muna zuwa muna leko ha aka samu mu ma tun muna da shekara goma sha biyar dai to kuna iya kamar ban bayani kadan kamar ya ne kuka ta da wakokin naku tun ina da shekara goma sha biyar ne na shiga wakan nan tun da lokacin na abin ya birge ni ina gani ana yi sai na shiga da na shiga ya birge ni gaskiya alhamdulillah mun samu an karbe mu ana koya mana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har muka iya har muka kai inda ana tara mutane muna yi gaban su kuma da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan har muka samu muna fita yanzu kama wannan turbin kun je wani garuruwa ne hakan ga turba albishir gaskiya babu misali garuruwa gaskiya mun je garuruwa garuruwan da muka je gaskiya an ce maka zana maka su zani wasu ma ban san su to inda muke tunani fitan mu dai ta farko na aga da su muka fara yin ta ta bi fitan mu da muka bar ƙasa mun ka yi jigawa eh nigeria jigawa nan muka fara zuwa sannan da kaɗan kaɗan da muka dawo jigawa mun mata wajen shiga hiye da biyar daga baya kuma sai muka tai kano zuwa kaɗan kaɗan har abuja sannan ita ƙasar mu nijar a bar Ya mai ita fitan mu ta farko 97 muka fara fita muka je niyami an kai nijar vision 97 muka fara zuwa niyami fitan mu ce ta farko da muka tai niyami yanzu cikin turu albashir wani matsayi ne aka baku to alhamdulillah an bani matsayi da an bani mi yake da suna an bani diplom kita ta mawaƙiya yana da attestation kita an bani ita sai in alhamdulillah kuma kokin da kuka yi kama cikin turb albashir wanda suka burge ku to waƙoƙin da na yi na turb albashir ni dai wanda na yi fara suna cikin su ita ce niger vision jituwa gwamna da rebellion da aka yi ita ce waƙan mu ta farko wadda ni dai ina shi da ita sai fam riral matan ƙauye eh suna ya kuta ba mana kadan mu ji <laughs> wacce cikin su ita eh, matan ƙauye eh to matan ƙauye sai a kwatanta salama ko yan uwa albishiri ne muka yi albishir na ceto kai ashe ba ita bace da dauko <laughs> mu ta mu ta amana matan kawai <laughs> daga murya kana mu <laughs> matan kauye tu kai matan kauye tu ita ya zan maka ita ganga babu so waƙoƙin kamar mun yi waƙoƙi da yawa eh, eh, tare da ita sai shiga mana kai tare da ita eh Matan da suke ƙauye futunsu kalila, kukan zakaran farin sun tashi da kwana, sabko su kai rijiya ba su da famfo. Talla ga wuya kuma ga goyon jariri. Matan da suke ƙauye tausayi suka ba. Da Allah ku cece su, su je makaranta, ya mata kannunmu, su je makaranta. gode hajiya yanzu da kuke yin wannan wakoki waɗanne gamsuwa kuka samu tare da al'umma ka gaskiya mun samu gamsuwa tare da al'umma sai mutunci tunda mun samu sabo da juna da wasu baka san su ba ma amma muna fulɗa har yanzu muna fulɗa da su kuma muna ta alherin su me kira zaki ma matasa wanda suka taso yanzu suna wakoki alhamdulillah kiran da zani musu guda ne su kama cikin sai an daure tunda in kacce ka bi zancen mutane baka waka tunda mu lokacin da muke waka babu abin da ba mu shi ana gaya mana amma ba mu damu da shi ba tunda mun san ba shi bane gaban mu amma in an daure fa akwai jin daɗi tunda ka gani in ka zo kana waka babu abin da ba za ka gani ba amma babu ruwanka kai dai ka yi abin da ka kuma mutane iri-iri sai ka gane su kuma dole sai yi hakuri ka zamana da su kamar ana ganin kamar mace bai kamata ba ta shiga wani wuri a nan ga al'adar mu ku ya kuka fuskanta da wannan matsaloli da eh, dama ga al'adar mu a zamanin da ne ma ake ci haka nan amma yanzu ka san a da in aka ga mace tana waka ya zan wani abu shi ko ba haka nan ne kamar kana kamar kai ma aikinka ne abincinka ne kenan ba wani abu bane waka waka ba ta da komai in ka tsarkake halishanka kuma ka san abin da kake tunda ni nan da na yi waka gaskiya babu abin da bani ga mutane amma daga baya sai suka gane ba haka nan bane tunda ba haka nan bane kai waka ka kake a matsayin ka na mawaki hakkin ka ne kake nema abincin ka ne kake nema kai ma kamar sana'a ka ce kake in kan rike ta zaka ci umfanin ta hajiya gambo kuna da kuma yaran ku ko kuma yan matan da wanda kuke kawai ma wakoki a yanzu gaskiya yanzu bani da mm. Eh, tunda tun lokacin da na ta arlit kin nan dama dama ma lokacin da nake arlit wani lokaci yan eh, arlit na wurin wata suna zawa wuri na hakan ga muna gaisawa hakan ga kamar suna neman wani dan bayani hakan ga kadan dai ana wasa ana dariya sai in dan kwatanta musu bakin abin da na sani Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter le titre Matankaouye de la troupe musicale Al-Bishir de Turin. Cette note musicale de ce matin euh, qui rend hommage à la femme nigérienne, notamment rurale ou Matankawye en Hausa. Cette chanson décrit la situation de la femme rurale et à travers laquelle cette troupe fait un plaidoyer pour que les conditions de vie de ces femmes soient améliorées, notamment l'accès à l'eau potable. Voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Haja Gambo évoque les principales difficultés que l'on peut faire face dans les mondes des champs et ses souvenirs. Il, elle est toujours au micro de Ahmed da dai waka in dai kace waka za ka yi ka tsakanin ka da Allah waka ka kake gaskiya babu wata matsala wadda za ka fuskanta da ita tunda shi waka hakuri ne kuma in ya zamanto za ku zama tare sai kun yi hakuri tunda kai ka kawo naka ni in kawo na wake na mi ya kamata mi sai mi hakuri amma waka ba ta da wata illa amma sai ka yi hakuri fa tunda gaskiya an kana waka nan zaka muwa da mutum iri iri kai akwai wanda zai bude magana ma in ya gaya maka wata magana sai ka yi mamaki ka san shi ba amma ko aka baka damu da shi ba yanzu kun kai kama shekara nawa da kuka bar waka to yanzu na kai shekara shida zuwa bakwai da na bar waka eh. yanzu da kuka bar waka wata sana'a ne kuka kama kuka sa ta gaba to yanzu dai sana'a bata wuce ga ta hannu ce nake a saye a da ne nake ne eh, ita ce sana'a ta. ba da wata sana'a ita ce dai nake gaskiya Hajji yanzu kuna iya ba mu wata tarihi game da wakokin da kuke yi abin da ya burge ku cikin turb albishir tabbas mm. akwai wani lokaci lokacin da muka fara turnen mu na farko an demil mun ka ta turne ne wanga kawai muka ɗauki nauyin shi zami ba ma wasu suka tallafa mana dai kawai da mai gidanmu dai Allah ya shi karai Allah ya sa an futa marganyi na ruwa badoshi mm-hmm. shi ya ɗauki wannan nauyi da muka tai mun kai turne kasa maraɗi muka fara mm. tunda karkarar maraɗi babu inda ba mi ba akwai wani kauye da muka zo muna wasa shikenan sai wasu 'yan yara suka fito yanzu da suka fito su ma dai suna ta yi suna ta yi inda kai hashil babu dai abin ga abin da rato wannan abu ba ni mance shi kuma da sai da muka ida sannan ne muka yi maraɗi gari sai da muka ida da ƙauyuka sai muka zo maraɗi gari yanzu da muka zo maraɗi gari muna wasa shikenan ana wasa ana wasa hakan ga to ka san ko ina akwai irin liga annan yanzu ana waka hakan ga sai wani yaro ya shigo yanzu ko da ya shigo shi kari ne yake in ya shigo ya taba maka nan ya taba maka nan dai kai hashi lokaci na kuma ba wayan kirki ni kuma sai nan mare shi to har yau yanzu in na tuno da wannan abun yana bani mamaki wallahi tunda wata ran ina adar bi sana ta basira na gamu da uwayen yara shi ma dai cikin hira ne ake hakan aka ce ke da Allah tambaye ki zami ba tambayar reni ba na ce lahiya bismillah sai suka ce ke ba ke ce ai albishir ba na ce eh suka ce kina tunani wata ran da kuka tai wuri kaza kuka yi wasa na ce eh ki taba wani mara wani yaro ba na ce kwarai ko ina ta suka ce min ai ni mu uwaye shi da shikenan muka fulda muka kulla fulda har inda yau take muna mutunci mu da su wallahi abin da ya birge ni kuma ya bani sai daga baya har yau ina tunanin shi amma dai sai mu ce alhamdulillah kuma matasa da suke yi wallahi sirki aikin su ne yanzu wani gargadi gare ku ga mawaka na zamani ne mawaka na zamani galgadin da ni dai zani musu kowa ya rike aikin shi kan gaskiya kuma kai hakuri in kai yi haƙuri sai ka cimma gurinka amma fa sai ka yi haƙuri haƙuri za ka sa gaba ita waka el haƙuri ce tunda kana tsakayi sai wani ya ce maka wanga bai yi ba kaza to in ka ce baka hakuri ga abu bai yi hakuri dai in an sa haƙuri wallahi ana cimma guri tunda mu da muka yi haƙuri mun cimma guri da yawa alhamdulillah har yau muna mutunci da mutane mawaka a sa haƙuri mm. amin ni ma na gode Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Poursuivons notre émission avec la rubrique hebdomadaire justice et ce matin, nous allons parler du droit des assurances. Exactement, Fanta, lorsque vous, vous souscrivez une assurance, qu'il s'agisse d'une protection pour votre logement, votre voiture, vous et vice-versa. Plus précisément, plus de précisions avec Moussa Bachir Saleh, juriste défenseur du droit des, du droit des humains. Quels sont les droits et les obligations d'un assuré envers son assureur S'agissant des droits, donc il faut euh, vraiment comprendre que l'assuré, lors de la réalisation du risque garanti ou l'essai du risque, a le droit de se faire euh, payer l'indemnité ou la somme déterminée telles les conditions prévues par le contrat et dans les délais convenus. Il a le droit de résilier le contrat avant son expiration tel les cas prévus par la loi ou le contrat. Et lorsque le contrat est résilié, il a le droit de récupérer la portion de prime ou cotisation cotisation. Et maintenant, il y a les obligations aussi de l'assuré. Hein. Au moment de la souscription du contrat d'assurance, au niveau de l'article 15 alinéa 2, on dit que l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge. Ça, ça fait partie de la première obligation de l'assuré. Et au niveau toujours euh, de cet article 15, donc alinéa 2, on dit que l'assuré est obligé de payer la prime ou la cotisation aux époques convenues. Quant à l'assureur, quels sont ses droits et devoirs envers son assuré Ici, euh, l'assureur vraiment doit payer tout ce que l'assuré devra payer pour euh, réparer le préjudice qu'il a causé à la victime. Il faut savoir que l'assureur aussi a des obligations essentielles. Il y a l'obligation de couverture du risque et l'obligation de règlement du sinistre. Maintenant, au cours euh, de l'exécution du contrat d'assurance, on dit que l'assuré est obligé de maintenir le risque en état. En cas d l'aggravation de ces risques, il est obligé de déclarer à l'assureur conformément à l'article 17 les circonstances ayant pour conséquence d'aggraver les risques. Article 15 ici, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1930. Quelles dispositions sont à prendre en cas de sinistre Maintenant, en cas de sinistre, l'assuré est tenu d'une obligation de déclaration du sinistre dans les délais de 5 jours suivant sa connaissance du risque. Article 15, alinéa 4. Maintenant, il y a la déchéance de garantie en cas de sinistre. Si l'assuré ne peut bénéficier de la garantie prévue en cas de la réalisation du sinistre, il ne verra pas verser l'indemnité donc due. Et aussi, hein, si l'assuré a pris le risque de commettre le sinistre sciemment, l'assureur n'est pas obligé de réparer le sinistre. Il est important aussi de le rappeler. Chers auditeurs, notre troisième balade musicale est, est une dédicace spéciale à toutes les mamans. Voici pour vous les jeunes filles des Matamé avec le titre Oua qui veut dire mère en Hausa. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Oua des jeunes filles de Matamé. Place à, à présent au reportage région pour parler de la culture, précisément d'une chefferie de jeunes appelée Samari à Birninkoni, région d'Ottawa, n'est-ce pas, Rakia En effet, Fanta, dans les années 80 existait la Samaria, une structure sociale des jeunes, et au sein de cette structure, il y a une chefferie des jeunes appelée Samari. Les Samari jouent un rôle important dans la cohésion sociale au sein des communautés locales. Et c'est aussi un, tout, un titre qu'on trouve également dans la chefferie traditionnelle, notamment au village de Tagarka situé dans le département de Kony, région d'Ottawa. Le chef euh, du village, Cheibou Abdelkarim, nous en dit davantage sur cette chefferie dans le reportage réalisé par Asman Moussarzika. Sarautar mai samari matsayi ne wanda ya kasance ake azawa a cikin karkara wadda matasa ke jagoranta domin kawo ci gaba ga yankunan nasu ko yaya ne wannan sarauta take mun waya a karkarar dagarka da ke cikin gundumar birnin kwanni wanda hakimi sha'ibu abdulkarim ya muna karin bayani akan sarautar mai samari. Mai samari na samari gada ban ce ma yanzu ba samari in an ka ce mai samari ana kiran shi an aza wani aiki in ya zaka yi gangami ya yi shela ranar tan da an ka ce duk inda sarmayi shike sai an zo an kashe mai watan kumaya in an ka ce ma samari na an azama mai samari gayya ko wani suriki ya azama surikin shi gayya in noma in mi ya zo faɗa mai samari in ya yi shela baka da mai saura har makwabta sai an nome gonakinsu. ko yaya ne ake aza mai samari a cikin gari Sha'ibu Abdulkarim ya yi muna karin bayani a kan haka. Lalle sarautar mai samari na ga ɗoka abin su ga naɗa ga wanga ga sai su ce mun hisson wani dan shina da hankuri shina da biyayya ha da tausai shina da shin kai sai mu ce mun hisson shi. Sai in sun zaɓo sun ka ce sun zaɓo ga wanda suka so sai mai gari shi ce kun yarda da shi sai ya tarshe su ce sun yarda da shi sai ya musu so uku kun yarda da shi su ce awo yannan sai ya ce to da sa ka taho in gabatar sheka inda sarki sai ya zo inda sarki da ɗan mai riga sai a haɗe rana duk ƙauye ƙauye sai a taho wurin naɗe shi a sa shi mai samari da mataimakin shi da mai gangamin shi da mai mi duk dawar kasa ana a kowane ga aikin shi to da an kafa mai samari zaɓen shi na akai. wace gudunmuwa ce wannan sarauta ta mai samari ke kawowa ga al'umma har yanzu sha'ibu abdulkarim hakimin ya ba da haske a kan wannan zance. Mai samari a ƙarfin samariya don tana taimakon ƙasa ta taimakon gari duk garin da adda mai samari. Ɗan garin na yarda da shi ba a cin kuma wajen wani shara wani aiki ko wani taro in an ka ce mai ƙasa a tahowa ko wani minista da an haɗa ma mai samari da na yi shela ni kira mai samari na ce to an aiko tarbo ba a ɗauke ma kowa ba to wallahi kowa zuwa shi kai a hau gadan nan amma yanzu kan sai a hankali Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et tout de suite, à euh, la page sport avec Grouza Sumikarimo. Bonjour Grouza. Bonjour, bonjour Fanta, bonjour Ratia. Alors, euh, Grouza, après les matchs dès la sixième journée de la Super Ligue nationale de football du Niger, la compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre, n'est-ce pas Oui, fantastique c'est pour permettre à la sélection nationale locale de se préparer pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires du champ 2024. C'est une double confrontation face au Togo le 22 décembre 2024 au stade de Kégué de Lomé et le 27 décembre 2024 au stade de Bamako au Mali. Le Togo attend de pied ferme le Niger qui l'a empêché, Fanta Rekia, deux par deux fois de suite de participer au Chan. Donc, les poulains de l'entraîneur Haruna Dola auront du pain sur la planche. Revenons toujours sur la Super League avec les matchs joués sur les différents stades du pays euh, Grouza. Oui, Rekia Ice Police a été battu par l'AS Nigelec sur le score d'un but à 0. Le Liberté battu par l'AS Douane sur le score de 0-1. Victoire de l'Urana d'Arlit 1-0 devant l'Olympique de Niamey. GST de Tawa a été accueilli à froid sur ses propres installations par l'AS Fan 1-3. Azender Espoir a battu l'équipe de l'Université de Niamey sur le score de 3 buts à 0. Défaite du Sahel 0-1 devant la garde nationale. Match nul 0-0 entre USGN et Renaissance de Bokochi. Wombei a battu Zongorzo sur le score d'un but à zéro. Au classement général provisoire de la sixième journée, Fan prend la première place avec 16 points, suivi de l'AS Douane 15 points. La Nigelec occupe la troisième place avec 14 points, USGN quatrième avec 12 points et la Garde cinquième avec 12 points également. Et parlant du sport roi du Niger, Dosso va accueillir le sable national du 20 au 29 décembre 2024 et les huit régions se préparent. Oui, Fanta, c'est pour euh, cette raison que depuis quelques jours, Niger sur Kalangou fait le zoom sur les différentes régions par rapport à la préparation de leurs lutteurs sélectionnés. Aujourd'hui, nous irons à Tifa avec Guidi Abdraman. baya zaben 'yan kokowa a difa ana yin shi ne da sauri kuma a kammala shi cikin 'yan kwanaki kalilan a bana kuwa an tsawaita tsarin na tsawon mako guda matakin da shugaban 'yan kokowan na difa ya tabbatar ƙarshe ya bayyana cewa manufar wannan matakin na ba da daman yin nazari mai zurfi kan kwarewar 'yan kokowa da kuma zaben wakilai na alfahari a difa mun yi dai zabe mun kare kuma eh, zabe wanda muke na da da na yau da an samu dan bambanci da in aka yi zabe kaman aka yi kwakwa biyu zuwa uku da ya kawai sai a ce a dauki wanda ba su fadi ba kuma a kara wanda suka fadi to bana kowa sai ya yi kokowa shi fi sabilillahi kowa ya yi da kowa an ga kokowan kowa an ga sa'an nan ne aka yi zaɓe wanda muke fata dai Allah ya sa masu rabo da sa'a ne muka zaba akwai sabbin akwai na dan. akwai wanda dai ba su ma taba zuwa difa ba sun zo yau kuma sun shiga zaɓe kuma sun wuce to muna buƙatar taimako wurin 'yan kasuwa mu da kungiyoyi da duka dai mutanen mu na jiha su kawo nasu kokoli. kuma yanzu ma dai alhamdulillah wanda dai muka zo wurin su sun yi nasu kokoli. kolin muna neman gudun ga mutane mu shiga harkar roƙon Allah da wasu dabo-dabo haka. Nazifi Ibrahim ɗaya daga cikin sanannun 'yan kokowa a jifa ya yi magana game da wannan sabuwar dabara kuma ya yi kira ga taimakon al'umma. A zazzage na bana gaskiya da alamu mun zo da rabo ta sa'a. saboda barar da na fara zaɓe a nan tashin farkon waka da na amma bana kokawa na baya kai minti ɗaya ma kawai ne gaba da mutum na wuce a wajen zaɓe ana ganin alamun nasara da yanayin kokoka mu yanzu fatan da muke a kama mana da addu'a sabo muna da matasa a banan ma masu zafi akwai su nan muka samu dafa da addu'a gaskiya wai ba koko aka fi kawai koko ana gada mana Allah ni yanzu fata na yanda za mu doso muna so mu je lahiya takobi ya ke so kuma muna iya cin takobi takobi ba ya dauke ku kokowa bane a je a tala muku abinci ko a ce an tarma a in akwai wannan shi ma yana yi to kuma fa a san dan kokowa a kula da shi kuma shi ma dan kokowa akwai abin da zai ko manyan ba za ku iya yi ba amma haka ba ya san abin da zai je yi Tare da wannan ingantaccen shiri da babban buri, 'yan kokowa na difa suna fatan za su nuna tarihin kokowa ta gargajiya a bana. Idan lokaci ya yi a garin Doso za mu ga ko wannan sabuwar dubara ta 'yan difa ko za ta haifar da ɗa mai ido. Voilà, c'était l'ambiance la, euh, de la lutte euh, avant même euh, Dosso avec Guidi Abdraman. Voilà pour le sport euh, d'aujourd'hui. Fanta Rakia. Merci Gourouza. Merci <laughs> Alors Rakia, pour le portrait de ce lundi, nous partons à la rencontre de Halimatu Abdurazak Dodo. Oui, Fanta Halimatu est une jeune diplômée en comptabilité qui aujourd'hui euh, subvient à ses besoins grâce à la couture. Rassamira Rafi s'est entretenue avec elle. Trentenaire Mère de famille, Halimoto Abdelrazak est titulaire d'une licence en comptabilité et gestion des entreprises et d'un master en contrôle et comptabilité audit. Malgré ses diplômes en poche, la jeune maman évolue aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai eu à travailler avec euh, une ONG américaine pendant un an. Avant même euh, la fin du projet, déjà je me voyais d'entreprendre mon propre compte. J'ai ouvert un atelier de couture depuis 2021. Quand j'ai informé ma maman, elle me dit ce que tu en connais dans la couture pour te lancer, tout ce dont j'ai besoin. Je veux juste vos bénédictions. J'avais commencé à travailler chez moi-même, petit à petit. On a loué un local. Si aujourd'hui Halimoto a eu la force de créer son propre atelier de couture, c'est parce qu'elle a le soutien inconditionnel de sa mère, Tonkwano Uteni Diapwa. Elle m'avait approché avec l'idée d'ouvrir un atelier de couture. Donc, euh, j'ai appuyé sa demande. Elle se débrouille avec ses ouvriers et ses machines et ça marche. Elle est toujours euh, en activité pour pouvoir satisfaire ses clients. je la trouve vraiment forte parce qu'elle ne s'est jamais découragée et chaque fois, elle cherche à aller de l'avant. Halima, la jeune couturière, arrive à subvenir à ses besoins grâce aux revenus de son entreprise ça va, Alhamdulillah, j'arrive à joindre les deux bouts avec, puisque quand tu sais que tu n'as pas de revenus, autre que ça, tu ne peux pas compter sur qui que ce soit. Je suis une maman qui élève seule mes trois enfants. Je me bats pour ces enfants. Je me dis que je ne dois pas lâcher. Aujourd'hui, Halimoto Abdulrazak a quatre employés et un stagiaire. Grâce à sa ponctualité pour ses commandes, son atelier ne désemplit pas de clientèle. Voilà, c'était le portrait de Halimoto Abdurazak Dodo réalisé par Samira Rouafi. Nous bouclons notre playlist de ce lundi avec le titre Baywa du défunt Sani Aboussa Desender. thank you Voilà, chers auditeurs, euh, Passons à présent à la rubrique Loti du jour euh, qui parle euh, sur les harcèlements à milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes euh, et les pousse à quitter leur poste. En effet, cela engendre des graves conséquences psychologiques chez les victimes. Et justement, le loti, ce souligne l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. Écoutons Hawa Ousmane et Samira Rouafi. Affaire affairage, Affaire affairage. Ah ah. Mais c'est quoi ça C'est qui ça Leila, tu fais quoi devant les toilettes Rentre pour que je puisse utiliser aussi. Tante Maimouna, vous n'entendez pas ces pleurs étouffés Il y a quelqu'un qui pleure dans les toilettes là-bas. Ah oui Mais attends, attends, on va voir qui c'est. Regina, c'est toi Mais quand tu as pleuré comme ça, quelqu'un est décédé Tu es souffrante Vas-y doucement avec elle, toi aussi, Léla. Bon, Rohina, qu'est-ce qui se passe Tu viens en parler Non, tout va bien. Excusez-moi d'avoir bloqué l'accès aux toilettes. Non, rien ne va. Regarde ton visage. Tu es toute pâle. Tu ne vas pas bien. Écoute, venez, on va dans mon bureau. Venez les filles. C'est plus intime là-bas. Rina nous sommes des collègues. Et après tout, je suis comme une mère pour vous. Elle est là, à le même âge que toi. Tu peux te confier à nous. Je dis pas tout de suite, mais quand tu te sentiras prête. Regarde comment tu es toute pâle. Tes larmes n'arrêtent pas. Tu as un souci, cela se voit mais je n'ai pas voulu te mettre la pression depuis un certain temps. Si c'est personnel, je te conseille d'en parler avec un psychologue ou bien une personne digne de confiance si tu ne fais pas confiance à nous. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Bien sûr que je vous fais confiance. Mon problème, je ne sais pas dans quel cadre les classer. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment fatiguée et j'ai très peur. Je n'arrive pas à mettre les mots sur mes émotions. Essaye, ma chérie. On peut peut-être t'aider à te retrouver. Si c'est un problème personnel ou professionnel, on essaie de trouver une solution. Explique-toi sans crainte. Tout mon problème commence au travail et cela se percute sur ma vie personnelle. Je ne me sens plus bien au travail. Je ne suis pas heureuse de venir travailler. Et quelle est la raison C'est à cause d'un de nos collègues. Depuis un moment, il me mène la vie dure. Il n'arrête pas de faire des remarques sur ma façon de m'habiller, sur mes actions. Ce matin, pour me parler, il m'a touché les bras et il était insistant. Il m'a pas qu'effleuré. J'étais tellement dégoûtée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pas su retenir mes larmes. Continue, Rina, nous t'écoutons. Tout a commencé avec des mots comme tu es bien habillée, tu es belle aujourd'hui. J'étais gênée. Mais en ce moment, je n'étais pas mariée. Je me suis dit que je ne peux pas me plaindre. Mais ça fait des ans que je suis mariée. Et il continue. Il m'appelle tard la nuit pour rien d'important. Il m'a une fois trouvé en train de manger un plat que j'ai ramené de chez moi. Il me dit que c'est tellement doux qu'il a envie d'emménager chez moi pour avoir ces petits plats tous les jours. Ce n'est pas normal que tu acceptes tout cela, marié ou pas. C'est un cadre professionnel, il te doit du respect. Surtout que tu n'apprécies pas ses gestes et sa façon de faire. Il te harcèle, ma belle. Et tu ne dois pas rester silencieuse. C'est des sous-entendus et on doit en parler avec nos supérieurs hiérarchiques. Même si tu refuses de parler, je parlerai à ta place pour sauver d'autres collègues, si même certains ne sont pas dans la même situation que toi. Non, il ne me harcèle pas. Il parle toujours chaleureusement et avec le sourire. Mais c'est l'action qui me dérange. Ah bah mais tu harcelais ma chérie. C'est ça du harcèlement, ce que tu vis. C'est un harcèlement physique et moral, car il t'a touché, tu n'as pas aimé le geste. Et cela se percute sur ta vie en dehors du boulot que tu as perdu l'amour du travail. Tout d'abord, c'est un délit qui se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements pouvant entraîner une dégradation de ses conditions de vie. Cela se traduit par une détérioration de la santé physique ou mentale de la victime. C'est ce que tu vis malheureusement, ma chérie. Voilà, Tante Memona. Il va me mettre poursuivi celui-là. Il y a eu des attouchements et le Code du travail dans son article 45 interdit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail par abus d'autorité à l'effet d'obtenir d'autrui des faveurs de nature sexuelle. Et c'est ce que ces agissements veulent dire. Non, pas besoin d'en arriver là, s'il vous plaît. Je plaire, cela me soulage et je passe à autre chose. Je n'ai pas envie de lui créer des problèmes. Il va dire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Non, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Mais rien n'est de ta faute. Tu n'as pas demandé à être regardée. Tu ne mérites pas de vivre ça. Et personne d'ailleurs. Mais Léla, si j'ai bonne mémoire, tu fais partie des agents mis en place pour recueillir ces genre de plaintes, non Oui, mais ce n'est pas encore officiel. Mais nous serons les points focaux de l'agence pour recueillir les plaintes sur le harcèlement dans le cadre du travail. Et nous pourrons peut-être confronter ce collègue. Il se pourrait qu'il ignore que ces agissements soient déplacés ou pas du tout normaux. En tout cas, merci les filles. J'ai pensé que c'était vraiment de ma faute en pensant à changer d'habillement ou carrément démissionner car je ne pouvais vraiment plus. Toute forme de harcèlement doit être dénoncée, Rina, que ce soit physique, morale, par moi électronique ou autre. Cela permet de garder la situation sous contrôle, surtout dans le cadre professionnel. Sans dénonciation, on ne peut pas t'aider, ma chérie. J'ai bien compris maintenant, je vous remercie. Considérez ma confidence pour une dénonciation et aidez-moi, s'il vous plaît. Je t'en prie. Bon, maintenant, retourne aux toilettes. Nettoie-moi bien ce visage et continue ton travail tranquillement. D'accord, merci bien. Léla, je te laisse t'en occuper. D'accord, on doit vraiment faire quelque chose pour tout le monde d'ailleurs. chers auditeurs, euh, nous venons d'écouter le loti du desk femme sur les harcèlements à milieu professionnel. Comme les Hausa disent, Chers auditeurs, nous allons à présent passer à la culture linguistique avec Samira Oumarou. Le mot du jour est corruption. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show Culture Linguistique. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture Linguistique. Le 9 décembre 2024 est désigné comme Journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette journée a pour but de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention contre la corruption. Le mot du jour est corruption. La corruption est définie comme un délit commis par un particulier qui propose directement ou indirectement offre, don, présent ou avantage pour obtenir d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission d'un service public ou d'un élu, l'accomplissement ou non d'un acte relevant de ses fonctions ou de facilité par elle. Corruption en anglais veut dire corruption. Corruption is dishonest conduct by those in power. one example. The corruption of youth was a powerful motive. That means la corruption de la jeunesse était un motif puissant. In a climate of corruption and decay, the truth is an act of rebellion, qui signifie que dans un climat de corruption et de décadence, la vérité est un acte de rébellion. This is the journalist who wants to expose corruption. That means, voici le journaliste qui veut dénoncer la corruption. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Ladies and gentlemen, that's all for today. Together, let's stop corruption. Corruption slows down the development of your countries. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique Cultivons le patriotisme en éradiquant la corruption. Merci et au revoir. Merci Samira. Voilà, c'était euh, la culture linguistique de ce lundi. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter le message envoyé par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh studio kalangu aino salai musa kan go tan elle lakkal kalkana do harai irla bugu bukata ko lakkal kalkana ga gum gum gum man cikaina aga himanda radiyai bon wala hay kan ga himanda im sensibilisation en te borese langa bon feerey kanga boray cendiga konda lakkal kana do boray mo hoggayde labari tari wonay internet ay e bon sanne kay sinne cede bon kayanga hin kanda lakkal tunay boray de cergamra boray mo ko kadi ka wada wodi yen irko mo kanir se lakkal kanay irko mir labono lakkal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi irko mir wa tar tar labari de hangani yen assalamu alaikum sido kalangu ayno hajar hamidu kango bolle yara songo fayan fayan ka kigogte irko de mir wada fayan fayan ka wa asiburi yari ngabinde irko mo na irmo ka te nya fo babu fo gamnan kulkan fayan fayan ka te fitin na ga kande ya dinga irko talibai hannu mun iri musamman da kyare ko mun iri mutin ya fo ba babu fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barakatuhu studio kalangu ya ka fa sun su banante ai mayo isa haruna jole irgan ware irne zalla bo sai la kalkane irko ma aslami wa fa fakandi irga bara irdimo anema zumbu la kalkana anema sintinga zumbu irko ma tabbatandi irko ma hinita jo gano lakalkane fonde imi sambu imi tabbat imi goro bani samai imir mai bani samai irmo ka iga mai mo irmo mai yadda imai raga bani samai irma kani bani irmo tun bani wadi no irgo gumare irko ma dogo na islam akul sai la kalkane o asintin ga zumbu alhamdulillah irsa abu guma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arawan ya kufo sina daino alasan abuba kango indikit nan balle yara ya dinno e, wake ga ngware labi zai ga imate e ginda fo imate e ɲafo baba fo ima e dokir wane labo katibi zamani jero irsha baida lakkal tune da kalkane na daga nijero bai bore kan badan kyar kan bara ga duga iri wani labo ka wayo dullo iri ko ma da iri sai ko min no gini ko iri ko min no la kalkane iri ko ma sujin da gomini fonda fere iri wani labo da islam tare labai kulu wallahi ma daga ci hagu bai zira jo suru wallahi wai diyan wa daga ti labi zai mi ceddi bore mi ceddi ga ta nyafo baf, kyar ngwari wa sagu ni zella bora bore ma mate iri wala kalkana dai ni ba mu te iri ni zella bora iri mu gurbani iri mu turbani iri mu din nan go fo bor mu zamu ka irga irim yadda se amante irim tenya fo ba fo irim keddi irim funbor fo nangu fo bor harkara irim iri ni zellabo di amburi zam labu kullo sir se gbis ni zellabo illa bo daga ciri ni zellabo karargo nga ciri ba funa yadin ga mo irim ko kirgi cedi irim labo bore abi sirim irim te bor fo labo harka borum funbor fo labo harkara gdin labo zam labo no ginna fa din koy benin labo no din ya ganda mo ni labo no yadin ga mo ko kirgi labo han samburi wallahi aiwo kai di daina Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Ranger sur Kalangu. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie, espérant que vous avez également apprécié. Retrouvez demain 11h un autre numéro de cette émission. Au micro, c'était Rekia Arimi et moi-même, Fanta À la technique, Abdul Kader Chambiano et Adama Dawaki, la grande dame à l'édition. Ciao, ciao.